Il y a deux ans de cela, nous avons lancé un concept qui s'appelle Solofi. vie qui veut s'habiller local, s'habiller chez nos artisans. Nous avions fait une remarque. bon, on nous appelle des activistes. Hein. On a l'habitude de dire le patriotisme, etc. Mais qu'en général, quand on le fait, on s'habille en Nike, Adidas, Reebok ou j'en passe. Et pour nous, il était vraiment dans le cadre de Solofi, de joindre l'acte à la parole. Si on parle de patriotisme, il faut parler aussi de patriotisme économique. Ce n'est pas normal de vouloir que notre pays aille de l'avant et qu'on n'achète pas chez nos artisans tailleurs ou chez nos artisans cordonniers maroquiniers. Que ce n'est pas normal qu'on se dise patriote et que quand on sort dans les plateaux télé, on est habillé avec des vêtements de marque occidentale américaine. Et c'est depuis lors, c'est depuis lors qu'on a lancé le concept Solofi. Depuis deux ans, moi, tout ce que je porte de la tête aux pieds est fait par nos artisans tailleurs sénégalais. Donc nous avons lancé la première campagne l'année dernière. Donc actuellement, il est aussi question de lancer cette campagne pour dire aux Sénégalais, pour dire aux Sénégalais, en tout cas à certains Sénégalais, et moi j'irai même plus loin pour certains sénégalais nañu Ne méchanceté arrête parce que moi je peux qualifier ça que de la méchanceté je ne peux pas comprendre qu'on ait des artisans sénégalais jeunes qui n'ont pas pris la pirogue pour aller en Espagne ou je ne sais où, qui n'ont pas voulu être des agresseurs, qui n'ont pas voulu chercher l'argent facile, mais qui se battent pour confectionner des sacs comme ça. man yàgg commencé si saar mais la plupart euh, man extérieur là, lu may quoi mais depuis si ma contacté ma ba léegi dama kontaan si affaire bi puisque affaire bi fii la war a fii que extérieur. Comme mel ni Moussa boire ligue liggéey ben benn quantité de sac li mu war par exemple fii la koy jëndee au moins de mercerie. comprendre nga dina embauché ay booy xaalis boobu yëpp noonu tey par exemple fii lay des pourquoi pas léegi comme genre Simon yi bu ci amoon bu ci amoon dix personnes wala quinze personnes je crois que artisanat Sénégal dina dépassé fii quoi. depuis mu contacté ma euh, yóbbu na ma foo xamante ni tey mun naa ne xalaatuma woon sax ni métier bi may dem dina ma ko may parce que benn benn confectionneur bu nekkoon laa si koñ rek di liggéeyal yenn élèves yi nga xamante ni ñoom laa doon liggéeyal mooy samay waa koñ. wala ay ñi nga xam ne ñu ngi may fekk ci Facebook yooyu nekkul léegi liggéey boo xamante ni gëmoon naa ne euh, industrie lu mën na nekk industrie ci Sénégal euh, grâce à moo tey war na ma ni carrément même bu fekkee da ngay formé sax war na mën a nekk industrie vraiment maa ngi lay remercier grand